monde, sanin ku da zuwa surtout sa fada shirin matasa da studio Kalangu take sarrafa pour chaque samedi et dimanche au micro Rabia Meikano. Tous à la fada touche à tout ce qui touche les jeunes. Hier, on a ake ce ma 31 zamuyi. À Touranche, réveillon du nouvel an. On peut dire que cette fiesta c'est un truc de citadin. Indai bana, na manta ba ni de rabona da in vacances kauye mu dai bas bas ma san me harkan 31 ba irin wannan kwa. Selon les pays encore, les régions matassa kowa na da da yake shirya wannan sallah ko a da yake yin wannan sallah à la fada nous voulons tout savoir comment vous fêtez le budget pour bien fêter pour cette fada festive muna tare da samari de yan na university abdul mumuni ça va kuna lahiya to a wannan fadar muna tare da abdul karim idrisa master 1 en géographie ta ai précisé il est célibataire est-ce eh, qu'il eh, <laughs> ça va alhamdulillah okay a tare de karima un endroit ça va karima ça va très bien eh, hein? oui je me prépare pour la fête du 30 ans okay non c'est pas la même chose karima est en couple ah, apparemment, il y a des candidats par là, ma belle. <laughs> tu as des dossiers dossiers analysés par là. <laughs> à cette fois-là, nous sommes également avec Gonda Maria, Maham Bachir, licence en communication. Maman, Bon, pour moi, je dirais que c'est un peu compliqué, quoi. Parce que ah. souvent, les choses, ça arrive à, à la dernière minute. On sait jamais, alors. Il y a des situations dans une situation qui est voilà. Donc, bonne chance à toi. Je dis que moi, ne pas de temps. Zan mu da gane matasan agres suke shirya revengen su. Mais que sera la fada aussi sans ses pauses musicales et sa chronique.

2 millions de personnes se rassemblent sur la plage de Copacabana. Kamuji ayane matasan wa'annan da muke tare da su na University sous suke su shirya sallar tasu 31 zan mu ji su kuma can matasan Agadas yaya ne suke wannan sallar ya ne ke shirya ta. J'ai payé ma tenue de soirée. Le réveillon on va les passer ensemble déjà en couple moi et ma copine on doit aller au restaurant, manger un petit truc contre le froid. Et après, nous allons partir supporter des artistes de la région d'Agadez euh, qui organisent un concert. Donc, euh, nous allons faire un acte de présence, regarder un peu, les encourager. Environ de 0 heure après les d'artifice et autres là, nous allons faire une petite sortie en boîte de nuit. Je suis prête pour le 31 si tout va bien. Nous sommes là en train d'organiser ça avec euh, des copines et on va faire la même coiffure, même habillement et on va sortir seul. On veut pas euh, des accompagnants parce que de nos jours, les hommes, euh, ils sont infidèles. C'est pour cela on a décidé de sortir avec les amis, entre copines. On va aller au resto. De là, on va partir suivre euh, un concert organisé par le jeune. Présentement, j'ai commandé une robe avec une veste pour moi et euh, ma future femme, Inch'Allah. Comme l'année passée, je n'ai pas fêté, mais cette année, c'est une occasion pour moi de fêter ça avec euh, ma future femme. Bientôt, je vais me marier. Donc je me dis, il faut qu'on fête euh, le réveillon ensemble avec elle. On va partir au restaurant manger, se balader un peu, profiter aussi aller regarder un concert euh, pour le 31, Inch'Allah. Moi, j'ai déjà acheté ma tenue de ce réveil, mais aussi pour ma compagne aussi. Maintenant, le reste que pour sa coiffure, et ça, c'est pour la veille, quoi. Et donc aussi, après ça, nous allons acheminer ça dans la boîte de nuit avec des amis et on va se retrouver pour faire des photos, des accolades et tout ça là. Écoutez, moi, je prépare pas le 31 vraiment parce que l'année passée, moi, euh, j'ai été trahi euh, par ma copine sortir avec les amis. L'année passée, j'ai payé l'habillement pour ma copine. Elle n'a pas sorti avec moi. Je ne l'ai même pas vue. Et cette année, j'ai voulu sortir avec une autre. C'est elle aussi, elle m'a raconté la même chose. Elle a dit de lui payer une robe qui coûte 25 euh, 000. Et je sais que même si je paye les 20, une robe de 25 000, je ne vais pas l'avoir. Hein. On mieux aller se saouler avec les amis euh, et c'est tout. Hein. Apparemment, les, jeunes d'Agadez, ils sont aussi chauds que vous. <laughs> tsakani ga Allah komi ba shirya mata ba borgo night club ya samu ci aka nan saboda mu a namu galgajiya mm. a namu al'adu ba mu gadi mu yi fetan 31 ba mm. don shi yasa ni tsakanina ga Allah ban nan ga shirya mata komi baka taba yin ta ba baka taba fitan taranta'in ba taba fitan taranta'in ko so shi yasa ce sai liba tana ko inda ka yi tara está, samu inda ka está tara ka samu wata on sait jamais faut essayer cher frère ne ah ba cher frère ne ka ga ni ko faut essayer tana yi wa taranta'in ki wannan an kai ta ka samu ka samu muna bel sir ba ya sani t'as bonne idée, Karima. Ah oui. Karima, elle est super en couple. Moi, ah oui. <laughs> Qu'est-ce que tu as prévu Je suis effectivement en couple. Et mon copain, il va même se déplacer spécialement pour venir. Euh, oh. wow. wow. Kajiko. Kajiko. Ah, qu'est-ce qu'il avec de confiance. Massa ah, C'est mignon, ma belle. Généralement, les fêtes, euh, c'est les, réveillons, mais ça évolue avec le temps. Auparavant, moi, j'ai eu à, participer à des réveillons mhm. avec les amis et tout le monde. On danse, on chante, on crie, on boucle l'année. Mais cette fois-ci, j'ai décidé de sortir. Romantique. Oui, oui, uniquement avec mon copain. On va sortir, sillonner une grande boîte de la ville. Ah ouais. Mais pour le moment, je suis dans les préparatifs. Euh, d'ici peu, je vais aller au marché pour trouver la grande classe. j'ai envie de t'accompagner déjà. Eh, n'est-ce pas D'accord. bon, je, vais t'accompagner juste au marché. Je ne vais pas gâter votre soirée. Ah oui, ça, je ne peux même pas le permettre. Hein. Madeleine, c'est bien. Il vient d'où Donc, il est à Ouaga. Comme elle a dit, elle va sortir avec son copain. Personnellement, moi je me dis quoi, par rapport à ça, c'est toujours celui qui a, eh. qui, prend le dessus quoi. Tu vois ah Actuellement, je peux pas dire que j'ai pas de copine, mais je suis pas sûr à 100% que quand il va falloir sortir, il va sortir avec moi. Peut-être quand je vais ah aller, lever je ah, Non, je ne suis pas sûr. Et, et je, vous invite, je vous invite à ne pas être sûr aussi. Parce que nous, nous les étudiants, on n'a presque rien. On n'a pas de moto, souvent on n'a pas de voiture. Et dès que tu viens, tu, trouves ta copine en train de sortir avec un autre, mais tu peux faire. Je reste optimiste par rapport à, ma sortie, par rapport à mon 31, mais quand même, je reste encore inquiet. Parce qu'à tout moment, tout peut arriver. Les filles, on n'est pas aussi les reines de fini, fini quand même. Je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu ça. C'était, je me souviens encore, c'était vers 2013 wajen 2013 haka akwai akwai wata yariya ta ce ma da shi da arlit a arlit akwai wata budurwa on avait prévu de sortir na ta na sha miki wanka kasan valise les chaussures bien cirées et tout ça sauf que je n'ai rien je n'ai rien ina tsaye kowa gidan su en train de latan sai na ga lokacin ana yin 406 sai na 406 ta yi gani ini ne zufe ni sai na 406 wannan adam na almadi ya hakuri kamar c'est mon tonton za mu je mu dawo ba wasa ba sai daga ba wasa ba nake kuma kai ka yarda kai a micro oh tonton menna menna ina jira ina jira tace no tonton tonton kinta ne za su tai dawo Et c'est vrai, les petits jeunes, tu montes quoi. Donc, j'ai un peu cru. Oui, ana arlita en décembre, il fait extrêmement froid. Ah, tu as vraiment. Bah, ah, je l'attendais, je l'attendais, je ah, l'attendais. C'est le mec pétard et Natacha Samba. J'ai compris. Dis-moi ton nom. De fin d'année, c'est Ali Tu es artiste, hein Oui, je suis danseur. Ah ouais Laisse danse. Laisse danser. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. <laughs> Un grand danseur. <laughs> Alors, t'as prévu quoi Dis-moi. Bon, juste euh, une petite fête entre amis, comme ah d'habitude. Et toi, dis-moi ton nom. Moi, c'est Amadou Moussa Ismail. Amadou, t'as prévu quoi, toi Moi. Mmh. Lui, là, il va même voyager hein, pour aller fêter ça. Pour, pour je vais fêter ça là-bas, eh, Inch'Allah. Pourtant, là, c'est fort, hein. Ah c'est un gros budget. Ah, ça, c'est ah sûr. Non, Niamey, là, même, te suffit pas. il faut aller là-bas. C'est la deuxième question. D'accord dans un article sur Mali Web, j'ai lu que la fête du 30 est l'une des traditions les plus respectées par les Bamakois. A Chanchuachua de Dama, Mata Sasuna Shiri Amata. la Reina 31 à Niamey, ça chauffe de partout quoi. C'est les feux d'artifice, c'est les booms un peu partout. Mais Yanzou, c'est encore chaud à Niamey maintenant Non, ça change de couleur ah, en Je peux répondre Ça tendance J'arrive à toi direct. Voilà. Bon, en toute sincérité, malgré que je participe pas à la fête du 31, hmm. ces, dernières, ces deux dernières années, vraiment, on constate que ça commence à diminuer. Voyez-vous un peu, euh, même euh, si vous prenez les années antérieures, même euh, les faits d'artifice, etc., etc., de la manière dont on tape ça ici en année, maintenant les gens ont compris, les gens ont commencé à prendre Les gens sont en train de penser comme toi maintenant. Ah oui, les gens ont compris. oui c'est déjà bien. Les gens ont compris, donc c'est pas bien quoi. Oui, c'est pas bien. Non, moi je t'arrête. Hein. <laughs> D'accord. Maintenant, bon, je, peux dire que ça a diminué avec le temps. Hmm. Maintenant, il y a beaucoup d'aspects qui sont en train d'être pris en compte comme l'aspect religieux, les ah gens ah ouais. tendent à, à, ne pas fêter cette fête puisque spécialement c'est une fête chrétienne. Donc les musulmans tendent à, à s'écarter de, de à fêter cette fête. Ouais. Gonda, inda ugare ka inje ga banka. Kamar yadda yace shi, mm. kamar zaki ki samu wasu ce bon, ai ba addinin su bane ba su iya su yi ta. Me ne mm. ce miki wasu kuma musulmi ne, amma suna yin ta ba da wancan aspe nata ba na addini mm-hmm. suna yin ta da ya zama musu wani lokaci ne na hutu shekara karshen ah, shekara kin gani ko mm. yanzu sai ki ki samu yan lakwal cikin wannan activity ki samu ma'aikata kowanne zai ji amfani da hutu kamar ni yanzu na ce miki arlit aka ne mu arlit internet ɗin ta de na somayar akwai mm. da ake commission defender ne commission ake yi a gayyaci uwayen yara da yara da kowa da kowa sai a invite wani artist tal national da c'était gombe star moi je me souviens encore mm. ake ake invite sai su sai da wanda ba musulmi ba da musulmi da yaro da babba da karami duka fami kowa ya taho alors on fait ça comme ça et eh, même maintenant jusqu'à aujourd'hui le 31 vous partez à Arlit c'est comme ça les gens le font. il y a babu babu babu karami il fait ça de 20h jusqu'à 23h minuit Maintenant, tout celui qui a sa boîte à aller ou à faire un truc, il le fait parallèlement. C'est plus chaud que Niamey même. Non, c'est plus chaud. Parce que tout le monde, c'est un mouvement d'ensemble. Je prends mon ticket. Contrairement, contrairement, contrairement à Niamey, mm. c'est un mouvement d'ensemble ok <laughs> bon euh, c'est Ali Moukele Ouseni, mais tout le monde m'appelle Seno quoi Seno voilà c'est mon nom d'artiste comme ça Ouais. et il dit que Arlit c'est plus chaud que alors c'est c'est vraiment Nyamé, c'est vraiment. Bon, il a, il a dit que Arlit, c'est plus chaud que parce parce qu'il se retrouve dans un même coin. Ouais. Vous voyez Ici à Nyamé, il y a plusieurs endroits là où on peut aller faire le show, quoi. Hmm. Mais par rapport à, si on compare les années, n'est-ce pas, mhm. à travers les mouvements, moi je dirais que les années passées, il y avait eu plus de mouvements que ces dernières années-là. Hmm. ouais, <coughs> parce que <coughs> auparavant, genre à cette date, déjà vous allez entendre partout des publicités, des concerts. Ah, c'est vrai, hein, c'est vrai. Mais, hein, voilà, mais maintenant si, voilà, mais maintenant si vous regardez, maintenant si vous regardez, il y a rien quoi. ah ouais. veut dire que ça prend du recul quoi zan tuna ma duka masu shuraren wannan shirin namu da suna iya aiko mana tambayoyinsu kuma su samu wannan shirye-shiryen namu a ah, bisa kan statun lamba mu ta whatsapp hudu amma ah, kun san kun babu fada babu shakatawa yanzu ku gaya mu wata music da ke birge ku kuke so a samu ku a cikin fada ni kuke so a samu ku wata waka ni daju daju ki wani daju wani za a sato wani n'importe quel son de Dadju. Quoi. Ah, mais <laughs> démocratie, n'est-ce pas non mais vous n'êtes pas galant ici quoi. La Guadeloupe demande Dadjou quoi. Soyez galant les gars. Jaloux de Dajou Mago, c'est pour toi mais ça, cadeau. Je sais pas à quoi tu t'attendais avec moi, y a pas d'histoire de c'est juste un ami. Ah, à qui tu veux faire avaler Que ton corps ne dérange pas tes soi-disant amis. Mais t'inquiète pas, je ne doute pas de nous. Ensemble, on est stylé. C'est pas une question de fidélité. Le problème ne vient pas de nous les hommes je les connais J'ai moi-même été de l'autre côté Oui j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes Et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme Ma chérie tu es jolie avec un corps impoli Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher Avec le temps tu embellis T'es mieux que ça Il M'en veut pas de me méfier femme, y'a pas d'amitié. Si je t'aime, je suis jaloux. Quand j'aime, je suis jaloux. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Mon bébé, tu es le mien. T'es la femme de quelqu'un. Ce qui brille sur ta main veut dire que tu m'appartiens. Yeah. sais toujours pas à quoi tu t'attendais. Les hommes n'ont pas grandi dans la logique de devenir juste des amis. Je sais tout pas quoi tu t'attendais. Enlève-moi tout de suite toutes ces bêtises de ton esprit, sois pas naïf. Non, méfie-toi de tout, de tout et de tout le monde. En commençant par s'exposer. Si je te dis, méfie-toi de tout de tout et de tout le monde, c'est que mon tour finira par arriver. Oui, j'ai fait du mal à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Je te dis que j'ai fait du sale à je ne sais combien de femmes et j'ai peur que tu deviennes mon retour de flamme. Ma chérie, tu es jolie avec un corps impoli. Les hommes sont sans pitié, interdit de les approcher. Avec le temps, tu en daban yanzu mu dawo fada tare da matasan mu na Abdu Mumuni a fada ga muna tare da Karim Idrisa da célibataire de la fada célibataire en Turquie <laughs> muna tare da Karima Hamadu Tahirou elle est en master en droit super en couple aussi hein, je précise hein, les gars je vous précise nous sommes également avec Gondada Maria Maham Bashir le communicateur de la fada d'aujourd'hui oui, oui. Ça va Yani? Oui, da dama. Kinan 31. Genre, me kuka shirya menene program kinku? Yanzu kun san an ce 31, an ce kashe kashen kuɗi. Yanzu zamu taimu shari matasan yamai. Sun muna zancen program la da birje kinsu da kashe kashen kuɗinsu. Préférer fêter la fête de 31 avec mes amis. Parce que euh, n'oubliez pas que nous sommes dans un... Les parents ne nous Il faut le dire, c'est aussi... Euh, une fête aussi de nos amis. Nous avons des amis chrétiens. Et si un ami chrétien t'invite à, à sa fête... 'yan bosu unit kurma saboda da kai kai fita abu ya yi kaske jikinka za ka yi komi tare da abokanka babu limit babu tabu su za yi abubuwa wanda kamar in tare da ne ba yin su ça en famille ou bien entre amis. de préférence, vaut mieux fêter ça en famille. Parce que vraiment, fêter avec la famille, ça serait une très bonne chose. Vous allez laisser de bons souvenirs. Et dans les cas échéants, si t'as pas pu faire fêter ça avec la famille,

Donc ça revient, ça revient, ça revient à ce que j'ai dit. <laughs> Ça revient, ça revient à ce que j'ai dit. Farida, tsakaninki da Allah. Yanzu <laughs> Il 400 000 ba ki ta a gama c'est c'est trop ok c'est moi qui t'ai invité n'est-ce pas un restaurant très très chic mais si j'ai pas 500 000 on peut pas aller ensemble 100 000 Oui, 50 000. Hein? Il faut 100 000. 100 000, c'est peu. Comme ça, oui. Ah. Donc 100 000, il y a quoi et quoi et quoi Vas-y. 100 000. où il n'y a pas la robe Non. <gasps> C'est quoi la <laughs> il n'y a pas ma robe. Donc, ça revient à ce que j'ai dit au début. <laughs> Maintenant, si les fêtes ne sont plus ce qu'elles sont comme euh, dans le temps, c'est parce que l'aspect dont on, est en train de parler intervient. Aujourd'hui, tant que tu n'as pas les moyens, et c'est une réalité, tant que tu n'as pas les moyens, au moins le minimum pour déplacer une fille, pour lui, créer un, cadre d'épanouissement, à savoir ce qu'elle va manger, son transport et tout ça, ça sera vraiment compliqué que tu puisses être sûr à 100% que la fille sera avec toi. Parce qu'il y aura beaucoup de propositions. Ah ouais. C'est pas une raison pour dire qu'en une seule nuit, on doit gaspiller 400 000. Non. Je dis pas ça. Ah, ah. tout à l'heure, tout à l'heure, écoute. dis-moi ton nom. tout à l'heure. Moi, c'est Ismaël. Une seule nuit, elle peut pas manger 100 000. Elle a dit 100 000. 100 000, elle peut pas manger 100 000. Non, ah. Farida. 100 000, elle dit. Euh, écoutez, moi, moi, je vais répondre à Ismaël. Je vais répondre à Ismaël. Ismaël. Ton nom aux auditeurs. Voilà, c'est Ali Munkele Hussein alias Seno. Seno. Voilà. Euh, Ismaël, on peut dépasser 100 euh, 000. Euh, tu sais pourquoi Aujourd'hui, quand tu pars en boîte, les bouteilles, ça coûte combien 45 000. Rien que la bouteille. bouteille de quoi Tu emmènes la fille pour manger. Ça, c'est ça, ça, ça, c'est pour aller faire le show. tu vois, non Maintenant, elle a précisé, elle a précisé qu'il va falloir l'amener dans un restaurant chic. Là-bas, tu peux dépenser au minimum 40 000 ou bien 35 000. Tu vois, non Vous deux. Quand tu vas l'amener en boîte, tu vas dépenser encore 45 000 pour prendre une bouteille tu veux pas que la voix reste debout toute la soirée voilà. quand même. Tu vois, donc eh ben, moi je pense que 100 000 là c'est raisonnable quoi. Elle peut dépasser 100 000. quand tu as vu non De boisson, faut pas qu'elle soit Elle va aller danser, elle va pas au boire. début, au tout début de l'émission, vous m'avez demandé si j'avais un programme. Je, ah, vous ai, ah, ah. je vous ai dit par rapport à mon programme, je suis encore pessimiste. Parce que tout peut arriver à la dernière minute. Parce que moi je sais que ce qu'il a dit là. C'est le prérequis pour sortir avec une fille aujourd'hui. Hein. Ah et faites le constat sur la cité. Même si vous êtes en couple, rare, rare, sont les filles qui vont rester. Donc je disais, il y a, un minimum. Sauf si la fille tient à toi euh, à, un degré inestimable. Hmm. Là, elle peut faire, encore là, c'est un sacrifice. Elle peut faire le sacrifice de sortir avec toi. Vous allez venir à la ou bien sur le toit des bâtiments tu vas lui citer des, phrases de Jackie Rapon. <laughs> Donc c'est pourquoi je dis personnellement, par rapport à, mon programme de 30 je suis encore pessimiste. Tu vas chercher la fille, elle est d'abord indisponible. Là, c'est un signe, tu comprends <laughs> Quand elle va te répondre, c'est qu'elle est malade, ou elle va sortir, ou un truc comme ça. Elle a mal à la tête. Mais, si elle sait que. l'assister Si elle, sait que vous avez déjà un programme. Si elle est malade, tu peux l'assister. En Jusqu'au petit matin entre guillemets <laughs> Oui, en étant malade, tu peux l'assister jusqu'au petit matin. Tu l'assistes tout au long de l'année. Aujourd'hui, on est en fin d'année. Elle a besoin de changement. Euh, non. Tu, tu assistes ses nuits toute l'année. C'est là que c'est là que à décembre, pas fêter avec toi. Donc, au moins le 31, là, ah, elle a besoin d'avoir une, une C'est là que qu'elle ne veut, veut pas fêter avec toi. Euh, je ne suis pas totalement d'accord avec toi. Il y a Karima qui n'est pas d'accord avec toi. Karima, elle n'est jamais d'accord avec toi. Karima Gayamini. Il y a une image à ce Oui, c'est Mhm. Mm-hmm. c'est même pas possible et surtout à cause de l'argent il n'est pas forcément dit que c'est l'homme qui doit gérer Merci. Je peux gérer. Merci. Pour une fois, je suis d'accord avec toi. Moi, je peux gérer. <laughs> Et j'ai eu à le faire. Moi, moi, on part au resto ensemble, c'est moi, qui, moi qui va payer. Ah oui, je vois pas. Ensemble, je suis indépendante financièrement. Non, non, non. Mais voilà, c'est ce que j'allais dire. Je ne suis pas, je ne suis pas d'accord. Les filles comme Karima, tu peux les compter au bout du doigt. Moi, je suis d'accord. C'est toujours la majorité. Sur cette cité-là, moi, j'ai. Il y a seulement une seule poignée. Je, je, et je répète, ils sont, sont, elles peuvent, tu peux les compter au, bout des doigts. D'accord. Rares sont les filles qui vont t'inviter au resto. Gérer pour toi, c'est difficile. Dans, ce cas, elle t'aime pas. non, moi sur cette cité, macho. C'est peut-être la mauvaise foi qui caractérise les filles d'aujourd'hui. La majorité. Macho, sur cette cité là, moi j'étais sorti avec une fille. Ah ah, hein, J'étais sorti avec une fille. Mm. Et à plusieurs reprises, c'est elle qui m'invitait à, aller au restaurant. À plusieurs elle est là sur cette cité. Présentement, elle est encore là sur la cité. Mais, Ismaël, maintenant, est-ce que parmi tes amis, tu, ne penses pas que tu es le seul à avoir ces privilèges Est-ce que c'est tous tes amis que les copines les gèrent La majorité est une minorité. je sais, c'est une, minorité. Il y a une fille qui est en train de contester ici. Elle dit que c'est pas vrai quoi. Elle si, une fille. Non, mais dis ce que tu viens de me dire. Rappelle juste juste ce que tu viens de dire. <laughs> Ma belle, euh, rappelle aux auditeurs ton nom. Farida. Farida. Toi, Farida elle peut l'inviter. C'est qui est sûr, elle ne va pas beaucoup dépenser. Mm. C'est peut-être pour dépenser 2500 ou 3000. Mais si c'est lui, elle peut l'amener à dépenser 50. Il pas du tout. personnellement, tu as une fois invité ton petit ami Personnellement, je vous assure. Moi, elle l'a déjà fait. Mon mec, on était parti au centre aéré. Oui. Centre On a commandé et c'est moi qui ai payé, j'ai donné 10 000 francs, je ne sais pas, on m'a donné un truc de 2 000, 2 500 Donc tu as pas dépensé 7 500 ou 8 000 comme ça. pas la première fois. Oui. Et je veux faire plus. Pourquoi ne pas même acheter de l'habillement pour lui Je l'aime, non ah oui, l'aime. Moi, au fait, <laughs> je pense que je pense que je, invité Oui. na ce kamar 'yan matan da za su ɗauki sarmayi na harin su yarda da bai da kuma abin da gare su su kawo ya amfani su da shi ba su da yawa don mi na ce haka nan

kuna iya réagir et puis envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp 80 06 88 54 ko a Facebook une a publication qui a kuna réagir comme babu fada babu shakatawa zan mu on va faire un gros cadeau perfect de Ed ce sont on l'envoie à toutes les filles toutes nos chéries les hmm? princesses de la fada les ladies de la oui les ladies de la fada <laughs> c'est un cadeau que toute l'équipe de la fada vous envoie Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Cause we were just kids when we fell. I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. Retour à la fada. Namunatanada. Aboukam Mousanchens, on est devenus chers camarades. Karima, Hamadou Taïrou, nous sommes avec Abdul Karim Idrissa. Dans cette fada, nous sommes avec euh, Gwanda Maria, Maham Bachir, Farida Souley, Seno, avec Ismo. Ici, ils nous parlent de leur programme, ils nous parlent aussi de leurs craintes. Nous venons à la dernière question de la fada. Que diriez-vous ou que conseillerez-vous à ces jeunes fêtards qui comptent bien s'éclater le soir Seno, je t'écoute. Ce que je peux leur dire, c'est de fêter avec modération. C'est de fêter avec modération. Pourquoi Par exemple, moi, je vais prendre l'exemple de ceux qui boivent. Mm. Moi, personnellement, honnêtement, je ne, je ne prends pas de l'alcool. Mhm. Mais il y a, y, a, y a, des amis, il y a des amis jeunes qui prennent de l'alcool. Par exemple, tu peux sortir le 31 et c'est l'occasion aussi pour beaucoup de personnes de se saouler la gueule. Ouais, non. Donc quand on sort, il faut boire avec modération. La plupart d'entre nous, pratiquement, on sort avec nos motos. Ou bien on prend la voiture de papa. Il faut fêter, mais d'une manière intelligente, d'une manière consciente et avec modération. Attends, Karima, je, leur dirais tout simplement de fêter avec tempérament, comme ils viennent de le dire, euh, en dépit des accidents que ça peut provoquer. Je dirais aussi à les jeunes amoureux, sur ce point, ils se permettent de faire n'importe quoi. Quand c'est la fête, il y a l'émotion, on oublie tout, donc <laughs> euh, on peut arriver à faire certaines choses.

hamma ya rasa cikin hayyacin da yake mhm. wata kuma kamar yadda ta ce yan mata da samari za a ta abubuwa wanda bai dace wanda za a zo daga baya ana inda na sani mhm. donc ni par rapport à ça je vais dire que c'est vrai c'est une fête qui est là pour se faire plaisir dan a ji daɗi ne a ta a ji daɗi ba dan a ja mu kan problem ba abinda baka taba zuwa ba ka je ka gani donc comme, comme ils ont dit, c'est avec modération. Aïe, mais assez mi accueilli. quoi. On va accueillir Olivier. Ça va Olivier Oui, ça va tranquille. Tu vas bien Là, l'applaudissez pour le chroniqueur. On va parler de quoi aujourd'hui Aujourd'hui, on a des nouvelles euh, pas du tout bonnes et des nouvelles bonnes. Et je préfère euh, commencer par celle-ci. Comme vous l'avez bien entendu sur les ondes de certaines radios internationales, le Burkina, notre pays voisin, a été touché par des attaques. Si aujourd'hui, nous, nous sommes tranquilles ici, en train de parler de la fête et tout, au fond, il y a des gens qui ne savent pas à quel sens se vouer, qui sont en train de souffrir. Et pour moi, j'ai un seul message. Au fond, nous sommes tous des Burkinabés. Le Burkina face aux victimes de la lâcheté humaine, une mère, une femme, une sœur, une fille a été tuée. 31 sur 42 personnes. En tout cas, 31 de ces 42 personnes sont des femmes. Donc pour nous tous, c'est symbolique. Chacun peut sentir cette douleur d'Arbinda comme moi. Faso, le Niger partage ta douleur et les jeunes Nigériens partagent ta douleur. On est avec vous. Salut à tous, place à la chronique d'aujourd'hui. Cette semaine, sans doute, sur les réseaux sociaux, vous êtes tombés sur les débats qui parlent de la nouvelle monnaie de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. C'était le 22 décembre en Côte d'Ivoire à Abidjan, précisément qu'Emmanuel Macron, le chef de l'État français, a annoncé la la fin du franc CFA. Mais ce qu'il faut retenir de cette rencontre, c'est que la communauté financière d'Afrique, le franc CFA, serait remplacé par une nouvelle monnaie qui s'appelle ECO. Et comme symbole, les lettres E et C. L'ECO serait-il différent du franc CFA Qu'est-ce qui va changer on aimerait bien savoir, nous sommes tous impatients de le savoir, mais beaucoup d'informations circulent sur les réseaux sociaux. Vous avez tous vu des infos, vrai ou faux, tranquille, mais on ne sait pas quelles sont les bonnes ou bien quelles sont les faux. Et par conséquent, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent. Mais grâce à plusieurs articles que j'ai eu le temps de lire euh, cette semaine, j'ai réussi à collecter trois informations précises. 1. L'écho annoncé en Côte d'Ivoire sera utilisé dans huit États de l'Union économique monétaire ouest-africaine. Et cette monnaie, ECO, vient remplacer le projet de loi unique de la CDAO qui devrait être mis en circulation dans 15 États, dont le Ghana et le très puissant Nigeria, qui sont des champions économiques dans la région et des pays anglophones. Deuxième information. La décision de remplacer le franc CFA par l'ECO est une décision politique. Jusque-là, les économistes ne sont pas encore prononcés, mais ils sont en train de travailler là-dessus. Il nous faut patienter encore pour savoir exactement ce que vaut un écho en euros. Dernière information, le franc CFA n'est pas encore mort, puisque ce matin, à Niamey, à Dakar, à Ouaga, à Lomé, à Abidjan bien sûr, les gens continuent d'utiliser le franc CFA et pourront l'utiliser encore pendant longtemps, car changer de monnaie, ce n'est pas une chose aussi simple. Olivier, ben, dis-nous le passage à l'euro en Europe, ça a pris combien de temps Très belle question, Rabi. C'était le 1er janvier 1999. L'euro devenait la monnaie unique de 11 pays européens et les taux de change de monnaie participants étaient fixés de manière irrévocable. Un euro était environ 6,559 francs CFA. Mais il a fallu le 1er janvier 2002 que les billets et pièces euros soient mises en circulation. Donc, dans l'espace UMOA, il nous faut encore patienter. Ah, ça va prendre un peu de temps quand même. Merci Olivier. Merci pour cette chronique riche d'informations. Vous avez aimé la chronique on applaudit pour Olivier. Merci Olivier. C'est la fin de tout ça la Fada. Nous étions avec euh, nos camarades de <laughs> l'université Mouni de Niamey. Nanga 31, Mounihira programme un budget. Kodika budget. de Soya, on peut sortir. Suche, Soya C'est le Dewa. C'est le Dewa, En tout cas, si c'est pas un big love là, faut. Oh,

Tara de Dondi. Pour cette dernière FADA du samedi de l'année 2019, toute l'équipe de la FADA, le point focal du programme Jeune du studio Kalangu, Abdoumato, le maître de la technique, c'est lui qui fait que on FADA Anan. <laughs> Applaudissez pour lui. <laughs> c'est notre technicien tout terrain. On est tout il est tout le temps avec nous. Avec lui, il ne faut pas que même mouche circule hein, parce que <laughs> c'est un problème. Tous les reporters de Niamey et des radios partenaires par ma voix, mon amour Fatan Alheri, a wannan sabon shekarar da za ta fara kwanciyar hankali da zaman lahiya a kasar mu ta Nijar muna muku fata tare da amunan mu na nan ga University Abdulmuni da suka yi akirki mu yau an tamo cette nouvelle année avec les bonnes résolutions des bons objectifs à atteindre et les bonnes vibes on se dit au revoir on dit bye bye à tous les amis de la FADA de partout merci merci, merci bien